le forum du studio forum du studio forum forum forum forum forum forum forum forum Le programme se poursuit. Restez avec nous pour les 45 minutes à venir. Vous êtes à l'écoute du studio Kalango. Il est 18h passé de 16 minutes. Le forum du studio Kalango. tous les soirs euh, du lundi au vendredi. Nous débattons de sujets qui préoccupent les populations. Euh, pour ce numéro, il sera question du droit à l'alimentation au Niger. La grande question, la question de l'effectivité du droit à l'alimentation, euh, trois domaines prioritaires, le renforcement de la résistance résilience des populations vulnérables à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, l'accroissement, l'accroissement, la diversification et valorisation des productions agro-silvopastorales et halieutiques et la création d'un environnement politique et institutionnel favorable au développement agricole et à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, le développement de tous ces sous-thèmes avec Diallo Mariama Kenda. Messieurs, dames, bonsoir, bienvenue. Je reçois ce soir pour vous Djouri Ibrahim, chargé de projet de droit à l'alimentation à Alternative Espace Citoyen, qui organise actuellement un séminaire sur le droit à l'alimentation et à la souveraineté alimentaire et juriste de formation. Bonsoir à vous, Monsieur Djouri Ibrahim. Bonsoir. Et merci d'être euh, parmi nous euh, sur ce plateau. Euh, le droit à l'alimentation c'est quoi exactement Le droit à l'alimentation, pour faire court, nous a été défini d'abord par euh, Jean Ziegler, qui est le rapporteur spécial euh, sur le droit à l'alimentation auprès des Nations Unies. Et en termes d'éléments constitutifs, il a fait ressortir quatre conditions qui expliquent l'atteinte du droit à l'alimentation. C'est un individu, dans n'importe quelle partie du monde. Le premier élément, c'est la disponibilité de l'alimentation. Le second, l'accessibilité à cette alimentation. Le troisième, c'est l'utilisation de l'alimentation qui doit être adéquate par rapport aux besoins du consommateur. Et le quatrième élément constitutif, c'est la stabilité de l'alimentation. Et donc, c'est le droit qu'a chaque individu, du seul fait qu'il est un être humain, de pouvoir accéder à une alimentation adéquate. Parce qu'il ne s'agit pas d'accéder à toute alimentation adéquate qui est conforme à sa tradition culturelle en tant que consommateur et qui lui assure une vie psychique active et digne. En substance, c'est ce que Jean Ziegler a donné comme élément de définition et qui a été reprise en tant que définition par l'organe de surveillance du traité international ayant consacré de droit à l'alimentation. C'est en substance ce que ça signifie et c'est cette définition justement qui est utilisée par tous les experts et toutes les organisations qui travaillent en matière de promotion et de défense du droit à l'alimentation. Alors vous venez d'entendre euh, cette définition du droit à l'alimentation de par Djori Ibrahim, chargé de com du projet de droit à l'alimentation alternative espace citoyen. Nous partons tout de suite pour un autre point de vue sur cette question euh, sur celui du juriste Meina Cartier que nous avons interrogé ce matin. De par les différents textes euh, à, la matière, le droit à l'alimentation, c'est le droit pour tout citoyen d'accéder euh, à une nourriture euh, saine, une nourriture de qualité, une nourriture suffisante dans des conditions vraiment dignes. Est-ce qu'en matière de droit, souvent on dit que tous les droits se valent. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a certains qui sont quand même prioritaires par rapport à d'autres Bon, vous savez, par rapport aux droits humains, il faut éviter de faire une nomenclature des droits. Chacun, en fonction de sa position, des défis, des impératifs, il a une préférence à demander, à revendiquer tel territoire je pense que tous les droits euh, ont leur importance, tous les droits ont toute leur noblesse. Et le droit à l'alimentation, c'est un droit donc euh, important, noble, primordial, et parce que sans alimentation, on ne peut même pas survivre, on ne peut pas avoir un certain développement facultatif. Euh, donc vraiment, c'est un des droits les plus importants. Dans ce cas, quand est-ce qu'on parle de non-respect du droit à l'alimentation Les conditions de leur effectivité aussi, souvent, ça divise un peu les juristes, parce que ça, il y va des termes même de la Constitution. Ce qu'il faudrait quand même dire, dans la loi fondamentale du Niger, nous sommes résolus à bâtir une nation unie, digne, et digne. Et le Niger a aussi proclamé son attachement à tous les principes de démocratie pluraliste, à tous les principes des droits de l'homme, que ce soit sur le plan international ou bien euh, sur le plan régional. Mieux, euh, la Constitution, à l'article 12, a dit que chacun a droit à une alimentation saine et suffisante, à l'eau potable, alors, comment avoir droit à une alimentation saine Moi, je pense que là, ou moins le constituant intime à l'État, il a l'obligation de créer toutes les conditions pour qu'il y ait cette alimentation saine et que les citoyens y accèdent par vraiment, euh, et cela beaucoup de... Mais là, euh, à dire que celui qui n'a pas mangé, ce soir, il va porter plainte contre l'État ou bien contre une collectivité publique. Par des pratiques administratives euh, politiques, les citoyens n'ont pas la possibilité de rendre effective cette disposition-là. Par exemple, L'État peut euh, laisser, n'est-ce pas, les citoyens dans des conditions très difficiles. Par exemple, quand on dit droit à l'alimentation, c'est qu'il faut créer les conditions de prix, il faut créer les conditions euh, agricoles adéquates, il faut créer les conditions pour euh, l'approvisionnement, il faut créer les conditions pour l'acheminement, les conditions pour aller se procurer l'alimentation saine et suffisante. Si ces conditions-là, qui résultent donc de simples mesures administratives, ne sont pas réunies, on peut dire que le droit à l'alimentation est bafoué. Qui doit faire en sorte que ce droit-là soit effectif, c'est l'État. Parce que c'est l'État qui peut intimer aux commerçants, aux distributeurs, aux agriculteurs, euh, etc. Euh, l'application d'un certain nombre de mesures à même de faciliter l'action à une alimentation saine et suffisante. C'est l'État qui doit faire ses politiques sectorielle, favoriser les conditions de, des moyens permettant une alimentation saine et suffisante. Donc si l'État ne fait pas ça, ne fait pas, n'applique pas ces politiques-là, si l'État ne régule pas tous ces mécanismes-là, alors là, on peut parler de euh, violation du droit à l'alimentation. Est-ce que dans ce cas, les citoyens ont le droit alors de, de, de porter plainte vous regardez, l'effectivité de ces droits-là, elle est difficile. Parce que euh, même les termes de la Constitution, il est, on dit souvent l'État veille à faire telle ou telle chose. L'État est tenu de faire telle ou telle chose. Donc, il faut regarder un peu la disposition constitutionnelle. Ici, on a dit chacun a droit. Mais a droit dans quelle dimension, dans quelles circonstances, dans quelles conditions Est-ce que aujourd'hui à midi, tous les Nigériens doivent de façon soudaine voir un plat de riz, je sais de maïs devant eux. Et s'il n'y a pas, eh, il y a une structure publique qui est responsable contre laquelle il faut porter plainte. Je pense que l'effectivité de ces droits-là, c'est en termes de régulation du secteur de l'alimentation. Donc, euh, si euh, euh, le droit à l'alimentation n'est pas effectif, je pense que, dans un premier temps, il y a des plaidoyer auprès des associations de droits de l'homme. Et je vous ai dit ce que la Constitution a dit à l'article 12. Et, mieux, à l'article 53 aussi, on a décrit les secteurs prioritaires, entre autres l'agriculture, la, l'agriculture, parce que la finalité de l'agriculture, je pense que c'est surtout suffit pour une alimentation de qualité et stable. Donc, sur le plan constitutionnel, il a été intimé au pouvoir public beaucoup de charges en cette matière-là. Maintenant, on observe les politiques publiques. Est-ce que l'État a une politique publique très bien définie en matière de droit à l'alimentation Est-ce qu'il veille, il l'exécute Est-ce que l'État euh, régule de façon sincère le, le secteur de l'alimentation Si ces charges-là qui, sont, qui pèsent sur l'État ne sont pas accomplies, eh bien, en ce moment, un citoyen ou un groupe de citoyens peut euh, passer, par exemple, au niveau de la Commission nationale des droits de l'homme, qui est euh, chargée de veiller à l'effectivité de ces droits-là, n'est-ce pas, pour euh, euh pour, pas porter peine mais faire un plaidoyer. Ce sont des droits qui sont obtenus surtout par la technique du plaidoyer et non par la voie contentieuse. Monsieur Maynard-Carté, est-ce que les enfants, par exemple, euh, en ce qui concerne, parce que c'est l'un des droits aussi fondamentaux des enfants, si je ne me trompe. Est-ce que par rapport au droit, à ce droit peut-être un peu plus général, quand on dit que chaque être humain a droit à l'alimentation, est-ce que pour l'enfant, ce droit est encore plus, plus large ou restreint le droit à l'alimentation, c'est un droit général pour tout le monde. Il y a maintenant des, spécificités par rapport à, à, l'enfance, même dans la, Constitution. Mais je pense que, euh, que ce soit euh, pour les citoyens en général ou bien les droits spécifiques à l'enfant en particulier, c'est formulé souvent sous forme de prière. C'est des objectifs qu'il faudrait atteindre. Mais euh, je pense que les personnes publiques, l'État, les communes, elles sont tenues de rendre effectivité, je pense, effective toutes ces dispositions-là. C'était le juriste Maina Carter Djouri Ibrahim, chargé donc euh, de projet de droit à l'alimentation alternative espace citoyen. Vous venez d'entendre le juriste Maina Carté. Le juriste euh, parle donc d'éviter de faire une nomenclature des droits euh, en matière, bien sûr, des droits du droit à l'alimentation et aussi du fait qu'il y a une certaine ambiguïté donc pour définir le non-respect du droit à l'alimentation. Qu'est-ce que vous répondez à cela euh, À mon avis, il y a une bonne partie de ce débat qui est euh, pratiquement dépassée. Vous savez, en 1966, l'humanité a eu droit à deux instruments juridiques internationaux qui portent sur les droits humains. L'un sur les droits civils et politiques qui avait été déclaré directement contraignant, donc des droits justiciables en cas de leur violation, un citoyen peut saisir une juridiction. Et à côté, vous avez le pacte international relatif aux droits sociaux, économiques et culturels, qui consacre entre autres le droit à l'alimentation, à l'éducation. À l'époque, les deux pactes étaient de la même année parce qu'il y avait des divergences entre les blocs en puissance. C'était le contexte de la guerre froide. Il y avait le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Et c'était des prises de position idéologiques Parce que tous ces deux pactes-là viennent de la Déclaration universelle des droits humains qu'on a voulu transformer en un instrument juridique contraignant, les divergences idéologiques ont fait qu'il y a eu deux pactes la même année. L'un justiciable directement, l'autre qui est d'application progressive. Entre 1966 et 1993, c'est la nuance que je voudrais adopter, c'est que en 1993 déjà, il y a un sommet sur les droits humains qui a fini par tirer la conclusion sur la coexistence de ces deux instruments juridiques internationaux. Et de par déjà la déclaration donc de Vienne en 1993, la conclusion a été tirée que les droits humains sont interdépendants indivisibles, reconnus à l'être humain pour garantir sa dignité, le débat est clos sur les distinctions entre les deux. Et c'était c'est ce qui a ouvert la voie à l'adoption maintenant du protocole facultatif relatif aux droits sociaux, économiques et culturels qui a finalement été rendu public en 2008. Désormais, moi, je suis du courant de ce qui attire l'attention de certains juristes sur ces distinctions. ces distinctions sont devenues 18. Le droit à l'alimentation est un droit fondamental reconnu comme tel, au même titre que les autres droits civils et politiques, donc justiciables. Et sur ce plan, un travail important a été fait par Golay pour apporter sa contribution sur les sujets. Et en 1999 déjà, l'organe de surveillance du traité, donc euh, de 1966 là, au regard de tous les débats qu'il y a eu, à apporter les éléments d'interprétation pour fixer le contenu de ce droit-là. On l'appelle observation générale numéro 12 qui est apportée sur la notion du droit à l'alimentation. Qu'est-ce que ça recouvre Quelles sont ses implications Il est donc prioritaire. Justement, et à partir de cela, trois obligations ont été formulées qui pèsent sur l'État en tant que porteur d'obligation. Ça veut dire qu'on peut. Parmi ces trois obligations-là, il y a deux qui sont immédiats parce qu'il faut savoir à quel niveau se posent les débats sur la justiciabilité. Là, vous avez une première obligation de respecter. C'est-à-dire que dans toutes les politiques, dans tous les agissements de la puissance publique en tant qu'État, il est appelé à s'abstenir de prendre des mesures qui pourraient pour effet de porter atteinte au droit à l'alimentation d'un particulier, soit sur sa capacité de produire, sur sa capacité de pouvoir l'acheter et de pouvoir mener une vie La deuxième catégorie d'obligation, c'est l'obligation de protéger. C'est-à-dire que si lui, il ne fait pas, c'est une obligation de s'abstenir, d'autres acteurs comme les multinationales, comme d'autres particuliers, peuvent avoir des agissements de nature à porter atteinte au droit à l'alimentation de quelqu'un. Et donc, par rapport à cet état de fait, l'État est appelé à prendre des mesures de protection. En ne le faisant pas, il engage sa responsabilité et ça ouvre la voie aux victimes de pouvoir porter plainte et d'avoir gain de cause. Et la troisième, maintenant, catégorie d'obligation, qui est l'obligation de réaliser. On dit que lorsqu'un citoyen, un individu quelconque, par des circonstances indépendantes de sa volonté, se trouve dans l'incapacité de réaliser ce droit par lui-même, eh bien l'obligation pèse sur l'État et la communauté internationale. C'est ça le fondement de toute l'aide humanitaire que vous voyez. C'est sur la base de cette disposition que ça vient. C'est-à-dire on n'admet pas on n'admet pas qu'il y ait quelqu'un sur la terre qui n'arrive pas à avoir de quoi survivre, c'est le fondement. Maintenant, dans les faits, il y a toujours un gap entre la possibilité, l'aménagement que le droit a réservé aux citoyens et l'effectivité du droit à l'alimentation. Donc, c'est un droit en vérité justiciable parce que indivisible des autres droits humains auxquels on a reconnu aux citoyens la possibilité de pouvoir exercer. Et c'est justement l'objet de la bataille que nous menons pour comprendre un peu le sens et la portée de ce droit reconnu dans les instruments juridiques internationaux et aussi par la constitution du Niger. L'avantage quand nous parlons au Niger, c'est la différence par rapport aux autres pays d'Afrique. Avant, d'en arriver là, une question. Est-ce que euh, je parle de la population nigérienne Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que c'est un droit qui est garanti euh, pour ce peuple Juridiquement, oui, c'est un droit reconnu, consacré, mais son effectivité, est-ce que chacun Dans les faits. juge dès les faits et Les indicateurs de ce pays démontrent qu'on est loin de compte. L'État du Niger ne respecte pas l'effectivité du droit à l'alimentation. Je m'en veux pour preuve euh, balancer quelques indicateurs produits par le dispositif national de prévention et de gestion des crises alimentaires au Niger, qui a donc euh, un système d'alerte précoce qui fait chaque année ce qu'on appelle l'étude de vulnérabilité n'est-ce pas, qui rend compte de la situation des personnes qui souffrent de la faim. On a remarqué que ces dix dernières années, selon les statistiques officielles, au moins un million de Nigériens chaque année, au cas où même on n'a pas de chiffres concrets, un million au moins de personnes souffrent du problème de la faim. Vous parlez de dix Ça, c'est en années. Normal, c'est dix dernières années. Et ces chiffres-là vont en s'aggravant d'année en année. Et chaque deux ans, c'est des millions. Par exemple, en 2005, on a vu, ça c'est la période de crise alimentaire, puis c'est 3,5 millions de Nigériens, selon les statistiques du SAP, qui ont souffert de la crise alimentaire. En 2007, 2010, on a eu jusqu'à 7 millions de Nigériens, n'est-ce pas En 2006, on a eu 6. Et cette année également, c'est près de 3 millions, selon ces statistiques, qui souffrent ça, c'est des crises alimentaires conjoncturelles qui arrivent. Alors, 3 millions, c'est énorme. C'est énorme. Mais quand vous prenez la dimension des enfants, les enfants, parce que c'est le droit à une alimentation adéquate chez les petits-enfants en termes de nutrition, il est établi au Niger de façon chronique 40%, c'est les statistiques officielles, 40% des enfants nigériens souffrent de la malnutrition chronique. C'est-à-dire qu'ils ne mangent pas une alimentation adéquate. Et ça, c'est de façon. Et tous ces enfants qui souffrent de cette malnutrition chronique sont des enfants qui sont en situation de non-respect de leurs droits. N'est-ce pas Et vous avez à des périodes où la malnutrition même aiguë, sévère, la malnutrition aiguë sévère, il y a des moments de pic. Ça va au-delà du seuil critique établi par l'OMS. Alors pourtant, pourtant euh, plusieurs initiatives sont prises euh, par l'État euh, pour garantir quelque part ce droit à l'alimentation qui reste, comme vous le dites, d'actualité. Exemple, les trois N. avant de vous donner la parole pour que vous reveniez sur ces trois N, nous allons sans plus tarder aller à Maradi où euh, notre correspondant Mohamed Maman s'est entretenu avec Abdoulaye Alassane, coordinateur régional de l'initiative 3N. Il s'agissait de lutter contre la faim et la malnutrition. Il s'agissait donc de diversifier les productions agro-silvopastorales et halieutiques et d'augmenter la production. Ensuite, il fallait aussi eh, se pencher un peu sur les aspects de la commercialisation, de la disponibilité de ces produits sur les marchés, que ce soit des marchés ruraux, que ce soit les marchés urbains. Ensuite, il fallait aussi euh, renforcer le pouvoir des populations, la capacité des populations à résister aux différentes catastrophes, aux aléas qui peuvent arriver. Ensuite, il faut aussi s'attaquer au côté nutritionnel, améliorer donc l'état nutritionnel des Nigériens et des Nigériennes. Ça, vous savez les actions qui sont menées dans ce domaine. Il s'agit eh, tant des aspects qui concernent la prévention, mais aussi des aspects eh, qui concernent le curatif. Dans ce domaine également, l'État a œuvré avec ses partenaires. Maintenant, pendant la première phase, évidemment, il y a eu des acquis. Il y a eu accroissement eh, des productions irriguées, notablement il y a eu accroissement des productions sous pluie, même, néanmoins, même si c'est timide, également des productions sous pluie. Il y a eu des créations des pistes de dessert et autres dans le domaine de la commercialisation, y compris les comptoirs, y compris les marchés ruraux, la construction des marchés ruraux, des abattoirs, des mini-laiteries, etc., donc des petites unités de transformation, etc., pour soutenir aussi la commercialisation. Il y a eu aussi l'action des partenaires et de l'État en ce qui concerne euh, la nutrition. Comme vous le voyez, hein, on prend en charge tous les cas de malnutrition euh, dans les différents CSI à travers l'État et ses partenaires. Mais, également, on fait la prévention. Vous voyez qu'il y a des distribution aussi des, des intrants dans ce sens. Hein, des aliments fortifiés, etc., pour les femmes enceintes, pour les femmes allaitantes, pour les enfants de moins de 5 ans, etc. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'initiatives qui ont en fait véritablement amorcé un changement dans le domaine euh, de la lutte contre la malnutrition et également, en gros, de la lutte contre la faim. Parce que l'objectif visé, enfin, euh, au, au, deuxième quinquennat, c'est l'objectif fin zéro. Et cet objectif fin zéro, nous allons bâtir sur ce qui est déjà fait. L'initiative 3 ans, on ne va pas recommencer, c'est la même stratégie. Mais comme vous entendez partout, le chef de l'État a eu à le dire, et les cultures pluviales aujourd'hui au Niger sont euh, vraiment des cultures aléatoires, puisque elles sont strictement liées à la pluviométrie, mais également aussi au manque euh, ou à la survenue de certains aléas qui compromettent fortement chaque année ces cultures-là et pour lesquelles, évidemment, l'homme n'a pas beaucoup de pouvoir. Par exemple, s'il ne pleut pas, on ne peut évidemment rien. Donc, les populations sont sujettes à des problèmes. Et même s'il pleut et qu'il y a des, des, des, des, des attaques d'ennemis d'envergure, par exemple les sauteriaux, les oiseaux, etc., évidemment on lutte, mais il y a beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes, ce qui fait que chaque année, et ces cultures pluviales sont sujettes à des problèmes. Et le chef de l'État a dit qu'il faut passer quand même à renverser la tendance. C'est-à-dire que les cultures irriguées, c'est ça qui va nous permettre vraiment d'atteindre l'objectif fin zéro, parce que c'est des cultures à maîtrise totale d'eau. Si nous euh, nous, nous, faisons la promotion de la culture irriguée, l'extension. Actuellement, nous sommes autour de 30% d'augmentation. Évidemment, il faut aller plus loin. On, on, aurait souhaité que ces cultures irriguées prennent le dessus par rapport aux cultures pluviales, ce qui permettra à la population, bonhomme, mala d'assurer son alimentation et de subvenir à ses besoins, et même mieux, produire plus que ce que nous mangeons, c'est-à-dire pouvoir même commercialiser tout ça est pris en compte par l'initiative 3M. Et à travers la diversité de ces cultures irriguées, vous savez qu'on met l'accent sur le maraîchage et autres. Avec la diversification également, on lutte contre la malnutrition en même temps. Donc il n'est pas bon d'attendre chaque année ou d'attendre que l'enfant soit eh, malnutri d'abord aller le mettre dans des centres de récupération, etc. Puisqu'il a été démontré également, parce que ça va, ça va dans le sens du développement, il a été démontré qu'un enfant malnutri, même si vous le récupérez, il est vraiment eh, déjà diminué par rapport à un enfant qui n'a pas connu vous venez d'entendre Abdoulaye Alassane, coordonnateur régional de l'initiative 3N. Euh, euh, Jury Abdoulaye, donc chargé de projet du droit à l'alimentation alternative espace citoyen. L'initiative 3N, selon vous, euh, vous venez d'entendre ce que le coordonnateur de l'initiative 3N a dit, selon vous, est une réussite je pense qu'eux-mêmes, ils ne disent pas que c'est une réussite, hein, parce qu'il y a un premier rapport 2011-2015 euh, de mise en œuvre de l'initiative 3N. Et je pense qu'à lire déjà à leur niveau le document, les conclusions sont très mitigées. Et quand vous constatez les engagements pris par le président de la République lors de son premier mandat, c'était de mettre un peu euh, plus de 1000 milliards au cours de 5 ans pour booster justement le secteur de l'agriculture, euh, de l'élevage à travers donc l'initiative 3N. Et lorsqu'ils ont fait déjà le bilan, on a constaté que sur même, d'abord, euh, les engagements n'ont pas été respectés, mais les quelques rares fonds qui ont pu être euh, injectés dans le secteur de l'agriculture, l'État du Niger n'a mis que 20%. Et c'est dire que euh, le, slogan les Nigériens nourrissent les Nigériens, n'est pas avec 20% de contribution de l'enveloppe globale que les Nigériens peuvent nourrir les Nigériens. Il a abordé un sujet aussi important, la question de nutrition. On a regardé le financement de ce secteur-là. Presque bon à mal, le Niger dépense, en fait, au Niger, on dépense plus de 40 milliards rien que de la prise en charge de la question nutritionnelle. Et la contribution du Niger n'a jamais franchi l'enveloppe de 500 millions, je vous en prie c'est les 40 milliards, 50 milliards l'année. Et souvent, quand on a vérifié à travers le suivi budgétaire, les 500 millions n'arrivent pas à être débloqués chaque année. Il y a des, années où il en fait il n'y a rien. C'est dire que on abandonne ce secteur-là entre les mains des investisseurs extérieurs. Et les chiffres qu'on avance sont des chiffres trompeurs. Donc, du coup, on n'arrive pas à produire les résultats attendus et ça devient beaucoup plus de théories, beaucoup plus de bavardage que des résultats concrets. Et la question de l'insécurité alimentaire reste aujourd'hui plus que jamais une réalité. Les politiques publiques ont du mal à euh, prendre en charge les préoccupations du monde rural. Quand vous regardez le fonctionnement des institutions publiques en charge du secteur rural, on a fait le suivi, même les quelques rares financements qu'on accorde, c'est près de 90% souvent qu'on bloque au niveau des ministères. Alors parlons, parlons d'une autre chose, de cette maladie, la malnutrition, surtout dans la région d'Agadez, mais aussi, euh, euh, je parle sur votre contrôle, le seuil euh, de la malnutrition au Niger a atteint, le seuil d'urgence 15%. Oui, selon l'OMS, voilà. les oui. Et donc, euh, euh, on parle aussi, le, le, coordinateur parle de la régression de cette maladie dans la région de euh, Maradi. La région de Maradi, vous savez, paradoxalement, c'est la région qui enregistre presque de façon constante le taux le plus élevé de malnutrition au Niger, pour des raisons qui sont souvent liées aux pratiques culturelles des gens. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en explication de cela. Mais c'est le terrain sur lequel l'État du tout ne travaille pas, ne fait pas ni les actions de sensibilisation. Et il y a quelque chose de très dramatique sur cette matière. C'est le positionnement sur la prise en charge. C'est-à-dire l'État et les partenaires extérieurs, ça fait partie des critiques que nous formulons, jouent au sapeur-pompier. Or, il est démontré à travers les recherches que si on veut agir sur les questions de malnutrition, n'est-ce pas, c'est en amont qu'il faut agir pour qu'il y ait d'abord, ça, devient moins coûteux et aussi avec plus d'effet. Mais lorsqu'on attend, dans les un pays comme le vous prenez l'initiative troisième. Ils disent que bon voilà, pour l'essentiel, les jeunes dépendent de l'agriculture et de l'élevage en milieu rural. Mais même en cas de bonne année, c'est leur statistique qui le disent, près de 60% des petits producteurs, n'est-ce pas, eh bien, retombent de l'insécurité alimentaire trois mois, voire quatre après la récolte. Vous savez pourquoi parce que justement le marché des denrées alimentaires fonctionne en défaveur des paysans. Quand ils produisent, ça se vend moins cher. Or, les paysans, c'est avec leur production qu'ils font face à l'ensemble de leurs dépenses. Alors, quand ils produisent, ça devient moins cher, ils bradent pour l'essentiel pour euh, inscrire leurs enfants à l'école, pour faire face aux dépenses de santé et sort et immédiatement ils redeviennent vulnérables. Or, oh, ça fait partie de l'obligation de la puissance publique de réguler ce secteur-là pour que ceux qui produisent puissent bénéficier les avantages de la production. Nous avons pour l'essentiel qui se positionnent dans la commercialisation et qui tirent ça. Et vous, vous, vous savez bien dans quel milieu on est lorsqu'on parle de la région aussi de Maradi, qui est une zone euh, très... C'est la capitale économique. Et donc, là où le commerce, dans son truc, est fait. Et il est démontré qu'en fait, en vérité, dans ces milieux-là, les femmes, parce que ce problème ne concerne pas les hommes. Les indicateurs, les hommes sont à l'habit, ils sont au marché, ils accèdent à leur, ils achètent, ils mangent là-bas. Ce sont les enfants et les femmes qui sont à la maison qui n'ont pas, qui n'ont bénéficient pas beaucoup plus des gardes, beaucoup plus d'attention, d'abord du chef de ménage, puis maintenant de la puissance publique pour que ces indicateurs soient constants. Et le plus souvent que l'État publie ses rapports, on a l'habitude d'entendre des déclarations de beaucoup de personnes au niveau du mari parce que économiquement, ça ne s'explique pas. Ce n'est pas une région pauvre. Les gens ont de l'argent quand on regarde le capital, mais c'est l'alimentation des gens qui n'est pas adéquate. Et aussi, il n'y a pas assez de redistribution au, regard de ces deux couches-là, les femmes et les enfants qui sont exclus. Il y a aussi beaucoup de pesanteurs culturelles, des pratiques qui sont indexées. C'est tout un débat qui sont Oui, tout à fait, des pratiques culturelles qui font que les indicateurs nutritionnels là-bas, en tout cas, toutes les statistiques démontrent que ça est origine. Et vous voyez la concentration des acteurs humanitaires dans cette zone qui essaient de faire face à la question. Et il y a aussi de plus en plus... une autre question par rapport à la vulnérabilité par rapport au droit à l'alimentation. Euh, par exemple, nous allons euh, quand même écouter euh, une autre réaction, c'est celle du coordinateur du collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie, Kani Abdoulaye, qui pense que même s'il y a des progrès dans la mise en œuvre des, politiques agricoles, beaucoup reste encore à faire pour parvenir à la souveraineté alimentaire. Alors, Monsieur Kani, quand on vous dit droit à l'alimentation au Niger, à quoi vous pensez À la mise en œuvre effective du pacte international relatif aux droits aux économiques, sociaux et culturels, est-ce que le protocole facultatif sera rapportant au pacte euh, économique, social et culturel Un instrument juridique international, comme son nom l'indique, auquel le Niger est parti et qui recommande la mise en œuvre de tout ce qui est droits économiques, sociaux et culturels aux parties aux États partis. Généralement, les droits économiques, sociaux et culturels sont des droits où généralement on laisse une marge partie à l'État. Mais ce qui est original dans le, pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, c'est qu'il y a un, protocole facultatif qui rend obligatoire aux États. Autrement dit, la révolution, c'est que les organisations de la société civile peuvent rester un État lorsque l'État ne met pas en œuvre en l'occurrence maintenant le droit à l'alimentation lorsque l'État ne met pas en œuvre le droit à l'alimentation en faveur de ces populations. Est-ce qu'on peut dire que ce droit à l'alimentation est effectif au Niger au, Niger, nous sommes dans un pays qui, du point de vue même ma euh, situation géographique, nous sommes un pays qui n'a pas de débouchés sur la mer, ça veut dire un pays continental et un pays semi-aride où même les affres n'est-ce pas, naturel font que la rareté des pluies dans l'espace et le temps font qu'effectivement, on ne peut pas effectivement parler d'effectivité des droits à l'alimentation. Mais ce qu'il faut retenir, ce qui est original, c'est que depuis la constitution de novembre, du 25 novembre 2010, c'est que dans la constitution, on dit que les politiques du Niger en matière n'est-ce pas, agricoles sont basées sur la souveraineté alimentaire. Donc l'État essaye tant bien que mal de vouloir mettre en œuvre le droit à l'alimentation de des populations. C'est en ce sens que et, <clears throat> il y a eu ce qu'on appelle l'initiative 3N qui deviendra plus tard une politique agricole au Niger. Et vous vous, vous, vous rappelez que déjà la FAO a donné un cutis au Niger en ce sens que le Niger fait partie des pays qui ont, qui ont atteint un niveau, n'est-ce pas, suffisant en matière, surtout dans le cadre des objectifs des millénaires pour le développement, dans le cadre de l'alimentation, on pense que le Niger a atteint ce qu'il devait atteindre. De mon point de vue et du point de vue qui respect des textes qui consacrent, c'est-à-dire la Constitution, je pense que c'est quand même une très bonne chose que le Niger ait une politique agricole et surtout se basant sur les principes de la souveraineté alimentaire. Alors, euh, euh, selon vous, au Niger, ce droit à l'alimentation des populations est-il respecté Le respect et l'effectivité, c'est deux choses différentes. C'est pour ça que je, vous, pose la question. Le, le respect, c'est quand l'État, quand l'État d'abord a pris des engagements et que l'État tente par des moyens de vouloir effectivement mettre tous les Nigériens à l'abri de la faim et de la sécurité alimentaire. Vous venez d'entendre Kani Abdoulaye, le coordonnateur du collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie. Je suis en compagnie donc de Djouri euh, Dori Ibrahim, euh, chargé de projet du droit à l'alimentation à alternative espace euh, citoyen euh, politique agricole au Niger. Il y en a, assez Politique agricole, en fait, les gens abusent. Hein. Même l'initiative 3 comme vous prenez le titre, on l'appelle stratégie agricole et non une politique agricole qui est en construction. Et ça fait partie des critiques que nous formulons au Niger la politisation de l'option politique dans le secteur de l'agriculture. Nous nous sommes battus dans la constitution de la 7e euh, République pour qu'on inscrive l'article 146 dans cette constitution au regard du constat que nous faisons. Presque chaque régime vient avec ses recettes. On a vu, pour, dans le cadre de la 5e République, la stratégie de développement rural. Aussitôt, le régime qui a changé, on l'a balayé avec les institutions et le choix, on a reconstruit. Donc, il y a une discontinuité du choix. Et ce sont des petits cadres stratégiques. Or, le choix doit se faire dans la durée. Tant qu'on est dans l'éternel recommencement, il y a, et à obtenir une politique agricole, il y a un document de référence. Il y a une institution internationale qui travaille donc sur ce sujet, c'est la FAO qui a fait, euh, sortir en 2004 les directives volontaires en appui à la concrétisation du droit à l'alimentation et qui a indiqué au pays les différentes options qu'ils doivent avoir et les conditions pour avoir une politique agricole appropriée orientée vers la réalisation du droit. Parce que la tradition que nous avons, ce sont des politiques de l'option développementaliste. C'est-à-dire qu'il faut un peu accroître la production, mais en vue de quel résultat Ce n'est pas articulé dans l'objectif de réaliser le droit à l'alimentation, il y a de la méfiance parce que ça leur demande un peu trop. Et donc, on prend un peu de recul pour dire, bon, on va avoir une stratégie agricole qui va avoir le temps que ça. Donc, ça est en construction. On a inscrit dans la Constitution, si vous constatez, d'abord l'article 12, contrairement à ce que l'autre l'a dit, que c'est formulé en termes de, de prière. Non, l'article 12 dit que chacun a droit à l'alimentation dans les conditions définies par la loi. Donc, la Constitution pose le principe et dit à l'État de prendre la loi pour définir ça. Et à l'article 185, euh, euh, on dit l'État, parce que nous sommes dans sous l'impôt d'une nouvelle Constitution, on dit dans les deux ans qui suivent, il faut adopter les lois d'application et les lois organiques. Parmi les lois d'application, il y a une loi que l'État du Niger doit définir, qui doit fixer le cadre donc, de la mise en œuvre du droit à l'alimentation. Et l'article 146 dit que l'option de politique que le Niger doit avoir, c'est une option qui doit promouvoir la, la, souveraineté alimentaire et qui organise donc la vision stratégique suivant ces indicateurs-là. Mais malheureusement, on a eu l'initiative 3N avant que l'État du Niger n'adopte la loi dont la Constitution lui fait injonction. Il est tenu du point de vue de la Constitution au cours des deux premières années de, définir cette loi-là pour dire qu'il ben, y a un cadre légal qui fixe. Il ne l'a pas fait. Il a commencé par définir le cadre stratégique et il met de côté l'article 12 et 146 de la Constitution. peut-être on viendra à 153 qui organise la question légale, la question du choix de politique publique et le cadre de leur financement. Parce qu'ici, nous sommes dans la famille de ce qu'on appelle les droits créances. Alors revenons, revenons, un peu sur le secteur euh, agricole. Euh, parlons à présent du budget alloué à ce secteur. Justement, c'est ça l'élément important, c'est ça la notion du droit créant. C'est dit, pour les autres droits, là, la liberté d'opinion, ce que l'État fait pour le mettre en œuvre, c'est de ne pas euh, faire des, restrictions. Mais pour ces droits-là, il faut investir. C'est ça ce que dit l'article 2 du pacte international relatif aux droits socio-économiques et culturels. Il dit les États partis au présent pacte doivent prendre des mesures appropriées au maximum de leurs ressources disponibles pour réaliser progressivement la mise en œuvre de ce droit. Ressources renvoient au budget national. Et en 2003, les chefs d'État africains se sont retrouvés à Maputo pour dire que le minimum des ressources qu'on doit mettre là, c'est au moins 10% du budget national qu'on doit mettre dans les investissements agricoles progressivement. C'est une réalité au Niger. Niger est parti, on est loin du compte en vérité. Aujourd'hui, quand vous prenez les deux ministères clés, les deux ministères clés qui travaillent dans ce secteur-là, c'est l'agriculture, c'est l'élevage. Quand vous prenez l'élevage, c'est constamment en deçà de 1% du budget national que l'État du Niger prévoit de mettre pour faire l'élevage au Niger. Le 1% là, c'est autour. Euh, il y a des années où l'élevage bénéficie de moins de 10 milliards en termes de prévision. Et vous connaissez la facture d'importation du lait en poudre au Niger La facture d'importation du lait en poudre au Niger va au-delà de 30 milliards. Dans un pays qui a plus de 40 millions de têtes de bétail qui investit moins de 10 milliards pour importer le lait avec une facture déjà de plus de 30 milliards. Comment vous pouvez l'expliquer et dans le contexte au ministère de l'Agriculture également, l'agriculture, c'est selon les statistiques de l'État, c'est plus de 85% des Nigériens qui dépendent de ce secteur-là. Son apport dans le PIB national, on dit c'est 42%. Mais sa part d'investissement, sa part en fait tout y compris, ces 5%, 6% du budget national. où se, situe, réellement le problème Là où se situe réellement le problème, ça réside dans les investissements publics dans le secteur de l'agriculture, parce qu'il n'y a pas de la magie à faire. Vous avez vu une étude réalisée, parce que j'aime qu'on renvoie à, des sources, une étude réalisée en 2014 par le LASDEL sur les dispositifs d'encadrement du monde rural. La conclusion qu'ils ont tirée, c'est que ce monde est en abandon. Parce que vous avez dans le secteur de l'agriculture un agent, un agent qui est appelé à encadrer au niveau du secteur de l'agriculture a en de 40 villages à encadrer. C'est-à-dire qu'il doit lui apprendre comment s'adapter à ces menaces de désertification, comment pouvoir valoriser. Et cet agent-là qui a un agent, un agent qui a en de 40 villages, en fait, il ne dispose même pas de moyens de fonctionnement, ni de moto, ni de véhicule pour faire donc le tour de ces, de, ces là pour leur apporter le conseil nécessaire en vue d'augmenter leur productivité. Du coup, vous avez des statistiques qui disent qu'au Niger, nous avons une pression démographique qui est aujourd'hui estimée à 3,9%. Mais la productivité agricole, le taux de production est à 2,5%. Dans un tel schéma, comment est-ce que vous pouvez... Or, il n'y a pas l'enjeu ici. Dès lors qu'il y a cette augmentation, l'augmentation se traduit par la réduction des espaces cultivables parce qu'il y a de plus en plus du monde qui en a besoin. Mais il y a aussi il faut agir donc sur la productivité pour avoir beaucoup plus et inverser qu'il y ait un taux de production agricole supérieur au moins à 3,9% pour espérer qu'il y ait donc un peu la disponibilité alimentaire. Ce qui reste, c'est quoi Il faut compléter le gap à travers l'importation. Or, l'importation, c'est l'accessibilité qui va se poser. De telle sorte que la crise alimentaire de 2010 comme vous avez vu était beaucoup plus une crise d'accessibilité à l'alimentation que de disponibilité. Il existe dans, les, magasins déjà, mais il n'y a pas. Donc le financement public reste un problème. Mais il y a aussi d'autres problèmes qui minent peut-être le secteur deuxième aspect, de l'agriculture. Deuxième aspect sur le financement pour euh, boucler cet aspect, lorsque nous avons pu euh, enregistrer des foyers de conflit, au niveau du Mali, au niveau de, donc, de nos frontières de, Libye et finalement donc euh, au niveau de, DIFA avec le phénomène Boko Haram. Comment est-ce que l'État a arbitré la situation Il a opéré des coupes dans ces secteurs-là. C'est-à-dire on prend dans le secteur de l'agriculture, on prend dans le secteur de l'élevage pour financer l'effort de guerre. Or, c'est ça le débat qu'on avait posé. Oui, on est d'accord qu'il faudrait financer, c'est une menace réelle, mais est-ce que c'est ici le meilleur endroit Parce que lorsqu'on affaiblit ces secteurs-là, en fait, on rend beaucoup de jeunes vulnérables. Et ils peuvent être des appâts faciles pour beaucoup de marchands d'illusions qui recrutent parmi en vérité les paysans, parce que le plus souvent ceux qui animent ces forces obscurantistes, en vérité, se recrutent majoritairement en milieu rural. parce qu'en fait, il devient. Donc, il y a un cercle vicieux. Vous parlez de conflit, justement. Il y a aussi ce conflit entre euh, agriculteurs et éleveurs euh, qui reste aussi un problème réel dans, dans ce secteur. Justement, qui a un lien aussi avec la gouvernance foncière. Parce que vous avez de plus en plus des empiètements sur les couloirs de passage. Il y a donc les couleurs de passage traditionnelles, quand les, les, éleveurs empruntent les couleurs de passage traditionnelles et qui sont de plus en plus empiétées par les, agriculteurs, il y a un conflit réel parce que nous avons de plus en plus de pasteurs, de plus en plus des éleveurs qui sont sans accès aux ressources pastorales la limite nord de culture, beaucoup de plus en plus, est en train d'être appropriée par des agriculteurs, par des nouveaux investisseurs en vérité sur les terres. Parce que la terre de prise en plus n'appartient pas aux paysans, il y a beaucoup qui s'y intéressent. Et le bilan du code rural, les 20 ans du code rural qui est accessible, rend donne à suffisance des éléments d'explication. L'autre élément de problème, le dernier, je pense que le président de la Cour de cassation a attiré l'attention sur les dégâts, sur leurs limites en tant que juridiction à réguler le problème foncier. Et lorsqu'on n'a pas de dispositif qui régule assez bien, eh bien, c'est la vengeance privée qui va avoir droit de citer. Et malheureusement, chaque année, on compte des morts de ce fait. Alors, c'est la fin de cette émission. J'étais en compagnie de Diori Ibrahim, chargé de projet de droit à l'alimentation à alternative, espace citoyen, euh, juriste de formation. Merci infiniment. nous nous retrouvons donc à la semaine prochaine. Au revoir.